Bonjour à vous, chers invités, chers auditeurs. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous du midi, le Niger sur Kalangou. Je suis Ali Moukela Ouseni, alias Seno. Et moi, c'est Salamatou Kadri pour vous servir. Aujourd'hui, et spécialement pour la première fois, nous avons délocalisé notre émission en dehors de notre studio. Nous sommes au CCOG, Centre culturel Oumoruganda, Ganda, et nous sommes avec un super public qui nous accompagne pour la circonstance. Bonjour public. Bonjour. Et oui, c'est une grande journée pour nous, pour notre émission Le Niger sur Kalangu, qui souffle sa première bougie. Le Niger sur Kalangu a déjà un an. La rédaction a lancé cette nouvelle émission un 13 février l'année dernière. Et oui, une piqûre de rappel pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio et aussi une journée qui date l'anniversaire de notre émission Le Niger sur Kalangou. Faisons un coucou à nos chers collègues, les hommes de l'ombre qui assurent pour la réalisation de cette émission. À la technique, c'est Seine Isaka, Raylatou Soumana à l'édition. On vient avec quoi pour nos fidèles auditeurs aujourd'hui, Salamatou Voilà, c'est nous. Notez que Le Niger sur Kalangou, c'est surtout de la bonne musique nigérienne et oui, nous consommons local à 100%. Ensuite, il y aura la chronique Lotti avec les femmes du studio Kalangu. Dans la partie entretien Salamatu, nous recevons aujourd'hui exceptionnellement trois invités hein, de grandes personnalités du domaine de la presse, notamment Fadimou Moumouni, l'une des doyennes dans le métier de journalisme, ancienne secrétaire générale au niveau de l'ORTN. Elle était également euh, conseillère du Conseil supérieur de la communication. Nous recevons aussi Hassan Soumana. Il fait partie également des doyens du monde de la presse ancien directeur de l'ONEP, actuel euh, président de ONIMED, l'Observatoire nigérien indépendant des médias. Ce n'est pas tous ces nous. Nous sommes aussi avec la nouvelle génération bien expérimentée dans le domaine du journalisme. Souleymane Bra, journaliste, ancien membre de la maison de la presse qui a été dissoute il y a quelques jours. Actuellement, il est le président de l'ANEM Niger. Il y a aussi avec nous euh, des auditeurs en l'occurrence les membres du club d'écoute de la radio Scout, une des radios partenaires qui nous diffuse actuellement à Niamey. Vous suivrez le portrait euh, d'une de nos stagiaires et nous finirons avec les messages de nos auditeurs. Chers auditeurs et invités, installez-vous confortablement. Le Niger sur Kalangu du studio Kalangu, c'est maintenant. Comme annoncé tantôt, chers auditeurs, euh, en cette journée dédiée euh, à la radio et couplée à l'anniversaire de notre émission Le Niger sur Kalangu, nous recevons trois confrères de la presse pour parler du métier de journalisme. Le thème central est Met en lumière le passé remarquable, le présent pertinent et la promesse d'un avenir dynamique de la radio. Nous avons avec nous euh, Fadimou Moumouni, ancienne euh, SG de l'ORTN. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Hassan Soumana, journaliste et président de Onimed. Bonjour. Bonjour. Chers auditeurs, nous recevons également Suleiman Bra, journaliste et président de ANEM Niger. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir honorés de votre présence dans cette émission. Pour bien vous installer, nous allons vous proposer cette chanson de fée Malambarka qui rend hommage à la presse nigérienne. C'est parti, on écoute. Baïonnement et musulman, arrestation et torture séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bayonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bayonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. La voix de la presse, c'est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Il doit s'en servir quand il a besoin. Il peut s'en servir quand il a besoin. Mais dès qu'il s'en sert, c'est le baillonnement et le musulman. Arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. Maman Barka, à travers sa musique, utilise sa voix pour défendre un pilier fondamental de toute société libre, le droit à une presse indépendante et impartiale oui, Sali, son engagement en faveur de cette cause essentielle et admirable. Et sa musique résonne comme un rappel à la vigilance et à la résistance contre toute forme de censure ou de répression. En évoquant bien évidemment ce sujet crucial, Maman barca souligne l'importance de préserver la liberté de la presse comme un rempart contre l'oppression et comme un pilier de la démocratie. qu'il C'est le baïonnement et le musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris, c'est de tout cela que je n'ai rien compris. Voilà, c'était là le titre Presse libre de l'artiste Mala Mamambarka. On se tourne vers nos invités hmm, tout en faisant honneur à la dame. Ma première question s'adresse à vous, Madame Fadimou Moumouni. Alors, dites-nous, quelles ont été euh, les principales évolutions que vous avez observées euh, dans le paysage médiatique depuis le début euh, de votre carrière jusqu'à aujourd'hui Merci et bonjour, chers auditeurs et auditrices de Kalangou. Merci surtout à la radio Kalangou pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur la chaîne et sur également les chaînes qui diffusent vos émissions. Je m'en vais d'abord rappeler, avant la conférence nationale, il n'y avait que la radio nationale. Et la première radio privée, je crois, c'est la radio RM. C'est avec la conférence nationale qu'il y a eu la, la libéralisation de l'espace médiatique et qui a favorisé la création eh, des journaux indépendants, mais également des radios indépendantes puis la télévision. Aujourd'hui, nous sommes à une multitude de radios privées au Niger, mais également de radios communautaires qui sont à plus de 100. La radio, comme vous le savez, c'est le média qui est le plus à la portée de la population. Pourquoi Parce que la radio coûte moins cher. On a créé la radio pour informer, éduquer et sensibiliser la population, n'est-ce pas Surtout, je m'adresse à vous, chers jeunes de l'IFTIC. Je crois que c'est la première des choses qu'on vous apprend à l'école. L'information au début que l'État, surtout, veut faire passer aux populations, c'était de les sensibiliser, c'était de les informer, pour que les populations sachent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on attend d'elles et qu'est-ce qu'elles doivent également faire pour apporter leur contribution à l'édifice, au développement du pays. Voilà comment euh, la radio est née en 1958 au Niger. Au début, les premiers journalistes qui ont eu à travailler, en tout cas euh, au niveau du Niger, pour la plupart, étaient des journalistes qui étaient formés sur le tas. La première école de formation, c'est le CFTI, devenu IFTIC et aujourd'hui ESCOM. Il y a beaucoup de journalistes qui ont eu à se faire former au Sénégal, qui avait la plus grande école eh, de formation en matière de presse euh, écrite surtout. Et après, il y avait également le Cameroun, où il y avait également une grande école de formation dans le domaine de l'audiovisuel. Voilà, merci beaucoup, Madame Fadimou Hassan Soumana. En tant que président de l'ONIMED, quels sont les défis majeurs auxquels les médias du Niger sont confrontés aujourd'hui Bonjour. Euh, donc, je me présente Hassan Soumana. Je suis journaliste de presse écrite. Euh, j'ai passé toute ma vie à l'Office national d'édition et de presse. J'ai fait le cheminement normal de tout journaliste, du simple journaliste stagiaire au chef de desk, rédacteur en chef des deux journaux, puis directeur de la rédaction. J'ai pris ma retraite en décembre 2022 en m'arrêtant au poste de directeur de la rédaction. Je crois que pour un journaliste, c'est honorable. Pour jeter un regard sur les réalités, les difficultés que rencontre le monde des médias actuellement au Niger, je veux jeter un regard plutôt critique sur les journalistes d'abord. Parce que, en fait, le problème qui se pose, c'est que la plupart des journalistes sont venus dans ce métier non pas par vocation, mais souvent par nécessité. C'est un métier qui a besoin d'être euh, aimé. Et si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas prouver quelque chose dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui s'efforcent d'écrire, en tout cas, la prestation des journalistes à lettres d'or, qui s'efforcent, en tout cas, de donner le maximum d'eux-mêmes. Mais il y, a, y a beaucoup de chemins à parcourir quand on écoute euh, le contenu des médias. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on se fasse l'autocritique pour aller de l'avant. Parce que si on a l'impression qu'on est déjà assez professionnel, je crois qu'on ne peut pas faire des efforts. Par rapport aux difficultés, c'est vraiment le fait que le volet politique n'accorde pas d'importance aux médias nigériens. Vous avez remarqué que quand il y a un scoop, on, prend le téléphone pour appeler RFI à Paris. Les informations exclusives du Niger sont fournies aux journalistes nigériens par des médias étrangers. Ce n'est pas normal. Nous devrons prendre les choses doivent changer, faire en sorte que les médias nigériens s'affirment pour être les maîtres de l'information au Niger, les pionniers de toutes les informations qui concernent le Niger. Je crois que ce travail, c'est du côté politique qu'il faut jouer pour lever les entraves qui bloquent en tout cas l'épanouissement du monde médiatique nigérien. D'accord. Alors, euh, je, je m'en vais poser la même question à la nouvelle génération. Euh, Monsieur Bras vous venez d'écouter les doyens. Est-ce c'est pareil aujourd'hui On peut dire que euh, vous avez les mêmes défis Merci beaucoup. Alors, à la suite de mes prédécesseurs, je tiens à féliciter le studio Kalangou pour cette euh, initiative et surtout vous présenter joyeux anniversaire à cette euh, émission Le Niger sur Kalangou. Kalangou fait beaucoup de choses dans les domaines médiatique. C'est très important ce que vous faites, surtout qui s'est relayé au niveau des eh, plus de 45 radios, en tout cas partenaires à travers euh, les pays et, surtout à travers aussi les sites, eh, vos pages euh, euh, qui sont sur les réseaux sociaux. En tout cas, vos émissions sont quand même suivies et on sent que eh, presque chaque domaine est, touché chaque jour dans les émissions du studio Kalangu et c'est très important dans tout ce que vous faites. Alors pour euh, revenir à votre euh, question, je dirais que les défis euh, sont toujours là, ils sont les mêmes, sinon ce sont même plus accentués. C'est vrai, en termes d'évolution, on peut dire que quand on prend du point de vue numérique, il y a une évolution de la première radio privée RM en 1994, Aujourd'hui, on a une cinquantaine de radios euh, privées, plus de 200 radios communautaires et plus de 80 euh, journaux, même si au niveau de la presse écrite, quand on essaie de comparer par exemple Haski qui tirait à plus de 30 000 exemplaires en 90, aujourd'hui nous n'avons pas un journal qui tire à 5 000 exemplaires. Donc vous comparez 35 ans après, aujourd'hui à cette euh, régression et ça, c'est euh, aussi quelque chose. je crois que l'un des défis, c'est que de 90 à aujourd'hui, les journalistes nigériens n'ont pas un statut. C'est quoi le statut C'est qu'il faut euh, au moins qu'il y ait euh, les meilleures conditions de vie et de travail. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas si les journalistes nigériens sont dans des conditions les meilleures pour faire ce travail. Donc à ce niveau, je tiens à dire que malgré les difficultés, les gens essayent de faire ce travail malgré ces difficultés, puisque quelqu'un qui n'a pas un contrat de travail, quelqu'un qui n'a pas euh, un salaire, euh, en tout cas une bonne rémunération à la fin du mois, quelqu'un qui n'a pas une caisse nationale de sécurité sociale. Donc vous voyez comment les gens évoluent et ça, effectivement, de ce point de vue, les choses n'ont pratiquement pas euh, bouger. L'autre défi aussi, c'est que euh, un média, c'est les moyens. Aujourd'hui, vous euh, essayez de voir la situation de nos médias en termes de production. Il n'y a pratiquement rien. Pourquoi Parce qu'il faut investir, il faut trouver des moyens. Mais nos médias n'ont pas aussi ces moyens. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut chercher à pallier à cette euh, difficulté. La question, effectivement, euh, du point d'aide, vous voyez, l'appui de l'État aux médias privés, ce n'est pas euh, suffisant. Vous prenez par exemple un journal qui, par an s'il postule, a juste 2 ou 3 millions, mais les 3 millions ne peuvent pas assurer même l'impression à plus les raison contribuer à l'achat du matériaux. Il faut soutenir les médias. Au niveau des journalistes aussi, c'est quoi le défi Le défi, c'est la formation il faut que les journalistes soient formés. La première garantie pour un journaliste, c'est quoi C'est la connaissance des textes. Si vous ne connaissez pas vos propres textes, vous ne pouvez pas bien exercer, vous serez toujours confronté à des problèmes. Et je pense que c'est ça aussi les défis au niveau de nos médias et de nos journalistes. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Bra. Je viens vers euh, Madame Fadimou. Comment voyez-vous le rôle des médias dans le contexte actuel de la société nigérienne et quelles sont, selon vous, les perspectives d'avenir pour ces médias Merci. D'une manière euh, générale, que ce soit hier ou aujourd'hui, les médias ont un grand rôle à jouer. Aujourd'hui, avec euh, les informations qui inondent le monde aujourd'hui avec euh, l'avènement des réseaux sociaux, nous avons des informations qui sont pour la plupart erronées. C'est des fausses informations. C'est ça que les gens appellent fake news. Le journaliste doit vérifier l'information avant de la diffuser. Le journaliste doit chercher l'information. Le journaliste ne doit pas se contenter uniquement d'aller couvrir un événement. Le journaliste, son rôle à jouer, c'est également de créer, chercher à savoir qu'est-ce qui intéresse mon public par rapport à la situation. Aujourd'hui, la situation actuelle que traverse notre pays. Vous entendez, on parle de souveraineté, on parle de patriotisme. Il faut que je cherche à savoir, à comprendre, même si moi je connais, Peut-être celui qui m'écoute ne sait pas c'est quoi le patriotisme. Qu'est-ce qu'on attend d'un bon patriote Cela vous, amène à faire comprendre aux gens qu'est-ce qui a prévalu avant aujourd'hui. Parce que à l'école, ce n'est pas tout qu'on vous donne. Ok, c'est noté. Euh, avant de continuer nos échanges, euh, nous allons vous laisser souffler en musique avec le groupe euh, Soga. Et c'est parti avec ce titre, La paix. La paix du groupe Soga. Après cette pause musicale, poursuivons nos échanges avec nos invités. Je rappelle que ce sont des confrères. Cette fois-ci, nous allons donner la parole euh, à la nouvelle génération avec euh, M. Bra. Alors, Monsieur Bra, quelles sont euh, vos perspectives sur l'avenir du journalisme au Niger en particulier ce qui concerne l'innovation et l'utilisation des nouvelles technologies. Oui, merci beaucoup. je crois qu'il n'est un secret pour personne que si vous essayez de comparer, même si comparaison n'est pas raison, en tout cas par rapport aux autres pays, on est en droit aussi de se dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire au niveau euh, des médias. C'est vrai, il y a des difficultés, mais je crois qu'il nous faut plus d'initiatives. Il faut aller vers d'autres choses pour jouer davantage notre partition. Aujourd'hui, avec la question du numérique, on a plus besoin aussi de ces professionnels sur la toile, sur d'autres initiatives pour former et surtout éduquer et sensibiliser les citoyens. Rien que la question euh, de l'utilisation responsable, par exemple, des réseaux sociaux pour un média, c'est quand même euh, important de faire ce travail vous prenez aujourd'hui, par exemple, depuis 2019, le Niger a adopté plusieurs textes. Je prends juste la loi portant répression de la cybercriminalité au Niger. C'est vrai, si vous êtes interpellé, par exemple, en cas d'un souci, les juges vont vous dire, nul n'est censé ignorer la loi. Mais je pense que les médias, que ce soit à l'interne, mais aussi au niveau du public, on a ces devoirs de sensibiliser les journalistes. Aujourd'hui, on a les spécialistes qui sont là qu'on peut les amener à travers des interviews, à travers des débats, pour venir expliquer les différents textes au public. Vous partez à la modération de l'État, il y a eu pas mal de textes qui ont été élaborés. Rien que les textes qu'on a, on peut effectivement les mettre quand même au niveau des médias, traduire à langue nationale pour que les citoyens puissent effectivement comprendre que par rapport à telle ou telle chose. Mais je vous assure, il y a beaucoup de choses que les médias peuvent initier et c'est notre rôle. C'est à nous aussi de le faire parce que le public a droit à l'information et c'est notre travail aussi de le faire. Est-ce que l'équilibre du genre est respecté dans le numérique Il faut dire qu'il y a toujours cette disparité. Mais il faut aussi se féliciter par rapport surtout à nos médias. La question de l'image d'abord de la femme dans les médias, la représentation aussi de la femme dans les médias. Mais je vous assure, ces dernières années, il y a eu des avancées. À un moment, la télévision nationale, le quotidien aussi, sinon l'office d'État aussi, qui est l'ONEP, avait une directrice générale. Au niveau de la radio nationale, il y a eu aussi une directrice. Et dans des médias privés aussi, je crois, il y a au moins trois DG au niveau des télés. Au niveau aussi des postes de responsabilité, on a des femmes euh, red on a des femmes. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a une évolution. Mais il faudrait aussi que les femmes journalistes travaillent parce que même si on voulait respecter les genres, mais si la femme ne travaille pas, on ne peut pas lui faire une promotion. Et ça, c'est aussi une réalité. Donc, la disparité existe toujours. D'accord. Alors, euh, euh, on, va, on, va, on va revenir à la doyenne euh, parce parce qu'il a évoqué un point essentiel en disant que les, les, femmes aussi doivent travailler. Vous en dites quoi par rapport à cette idée Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai. Nous exigeons à ce que le genre soit respecté et dans les médias. Je vais vous donner un exemple sans citer de nom. En tant que directrice de la télé, au moment où j'étais au poste, j'avais proposé à des femmes de les nommer chefs de service. Je vous assure qu'il y a une, j'ai tout fait parce que je sais que, en termes de capacité, je sais qu'elle a les compétences. Mais j'ai tout fait pour la faire nommer. Cette femme a refusé. Elle a refusé carrément, elle a rejeté mon offre d'être nommée chef de service de la production. C'est la même chose parmi les hommes également. Il y a des hommes qu'on nomme qui n'ont pas la compétence. Il y a des femmes qui sont compétentes qu'on ne veut pas nommer pour des raisons politiques. Mais je crois qu'il faut se battre. Il faut se battre. Et il faut que les promoteurs des radios se disent que, que tu sois homme ou femme, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la compétence c'est le professionnalisme, c'est la disponibilité. Voilà, mais pour rappel, au studio Kalongo, nous sommes 17 hommes et 16 femmes. Je crois que là-bas, le genre est respecté. C'est bon. Merci beaucoup, Madame Fadimou. Je viens vers vous, à Sansoumana. En tant que vétéran du journalisme au Niger, quel conseil donnerez-vous aux jeunes journalistes qui entrent dans la profession aujourd'hui, notamment en ce qui concerne l'éthique et l'intégrité. Eh, merci. Euh, Je n'ai pas eu voix au chapitre par rapport à la question sur le jarre. Je tenais quand même à dire un mot, eh, parce que moi j'ai géré une rédaction toute ma vie. Tout le temps que je suis resté à l'ONEP, e en tout cas j'ai géré une rédaction, je sais comment ça se passe. Eh, je sais que APAC a beaucoup fait ils ont même euh, initié une euh, opération femmes occupées les médias. Donc, euh, dans les rédactions, le problème, comme Fadimou l'a un peu soulevé, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'engagement des femmes. Elles viennent dans les médias pour juste être à l'ORTN ou à l'ONEP, mais pour dire qu'on est des journalistes. Quand on est journaliste, vraiment, il faut le faire avec beaucoup d'engagement. Et je viens au conseil quand tu viens dans ce métier sans avoir l'audace, sans avoir l'envie de prouver que tu es journaliste, faire la différence par rapport aux autres, parce qu'en fait, tu es en pleine compétition. On est dans un métier où le produit de ton travail, tu le soumets à un public, tu es devant un jury, le public est votre jury. C'est en ça que les journalistes sont différents les uns des autres. Hein. Un bon journaliste, c'est celui qui a un bon carnet d'adresses, parce que c'est ce carnet d'adresses qui te permet d'avoir des informations de bonnes sources, pour lesquelles souvent même on vous appelle si vous avez créé un, réseau de relations avec euh, un corps de métier, par exemple la police, si tu es dans les faits divers, c'est eux qui vous donnent les informations de bonnes sources. Donc, ça, c'est ça qui va vous permettre de faire la différence avec les autres journalistes qui n'ont pas accès aux bonnes sources. L'instinct journalistique, c'est ça qui fait la différence entre le commun des mortels et les journalistes. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas être des bon journaliste. Ce n'est pas pour vous décourager. Il faut avoir une culture générale très garnie. Il faut tout lire parce qu'il faut tout comprendre. La lecture, ça vous permettra d'enrichir votre vocabulaire, mais aussi d'avoir un regard sur tout ce qui se passe dans le monde. Parmi les étudiants de l'IFTIC, je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez ce qui se passe actuellement au Sénégal depuis avant-hier Je veux une réponse. Eh, je me présente au nom de Ashman Ali Jamil, étudiant en première année en journalisme audiovisuel à l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM ex-IFTIC. Si j'ai une bonne mémoire, la situation actuelle euh, du Sénégal est due au report des élections qui a été annoncé par euh, Macky Sall, qui a causé que la population est sortie pour manifester leur euh, mécontentement face à la situation. C'est bon. Voilà, c'était là la réponse euh, à la question du doyen Hassan. Chers auditeurs, euh, chers invités, nous sommes à la fin de nos échanges avec euh, nos invités et nous allons recueillir les différentes questions. Bonjour, je me présente au nom de Ilias Mohamed Hamsetou, étudiante à l'ESCOM en première année de licence. En fait, j'ai une question pour Monsieur Hassan Soumana. J'aimerais savoir quels sont les enjeux pour les journalistes de s'intégrer dans la politique. Et la deuxième question, je vais à, la dernière génération, Vra. Et quand vous avez parlé des mauvaises conditions dans lesquelles se trouvent les journalistes au Niger, et selon vous, quelles sont les solutions à prendre pour y, remédier à cette situation et je vous remercie. Bonjour, distingué public. Je me présente au nom de Yaoubara ferrosi Je suis ravie de participer à cette émission qui m'a permis de connaître davantage ce que c'est le journalisme. Et ma question est la suivante, Madame Fatoumou. Comment les journalistes peuvent-ils s'adopter au changement rapide dans l'industrie des médias Nous allons donner la parole euh, aux panélistes pour euh, procéder à la réponse. Donc, euh, nous allons commencer par le doyen. madame a posé une question très pertinente. Mademoiselle, voilà, c'est bien. Euh, donc, euh, la question était de savoir l'enjeu de l'engagement politique pour un journaliste. C'est un couteau à double tranchant. L'engagement politique pour un journaliste, euh, ça peut tuer le journaliste qui dort en vous. Parce que effectivement, entre le monde des médias et le monde de la politique, c'est un jeu de qui va manipuler l'autre. Un journaliste qui s'engage en politique, il faut qu'il renonce à ses qualités et à son talent de journaliste. Si vous voulez être une haute personnalité journalistique, vous n'avez pas besoin de talent. Allez-y dans la politique, prenez le raccourci, allez-y en journaliste, mais vous allez vous casser la gueule. Vous allez être directeur général d'un organe de presse et vous allez rester dans votre petit coin parce que vous, avez, vous devez gérer des professionnels devant lesquels vous ne pouvez pas hausser le ton parce que dans une rédaction, le débat est professionnel, purement professionnel. Donc vous ne pouvez pas gérer des gens à qui vous ne pouvez rien montrer sur le plan professionnel. Mais un bon journaliste doit sincèrement prendre ses distances par rapport au milieu politique, parce qu'à chaque fois qu'il va parler, quelle que soit l'importance de l'information qu'il va donner, il va dire mais c'est le militant de tel parti qui donne ça. Donc on ne voit plus en vous le journaliste, on voit le militant du parti politique. Ça ça a vraiment des conséquences très graves sur un journaliste qui ne sait pas cacher ses sentiments politiques. Ok, d'accord. Euh, on va se retourner vers la doyenne. Il y a une seule question qui m'a été directement posée, c'est la question de savoir comment un journaliste peut-il s'adapter dans l'industrie de la communication. C'est bien ça, non C'est l'autre qui a posé la question. le conseil que je peux donner, comment s'intégrer dans ce monde des médias, il faut aimer le métier. C'est comme l'éducation, c'est comme la santé. Quand tu n'aimes pas le travail, tu te dis parce que tout simplement j'ai besoin d'avoir un débouché, il faut que je vienne, ça ne peut pas aller. Donc il faut aimer le métier avant de s'engager dedans. Il faut également euh, connaître les textes. Il y a les textes qui régissent le domaine. Il y a les textes, je suis sûr, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent les différentes ordonnances, les différentes lois qui régissent en tout cas le domaine. Tous ces textes-là sont au niveau du Conseil supérieur de la communication. Il faut les prendre, il faut les lire pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Un journaliste doit être curieux. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Revenons vers M. Suleiman. Oui, qui vous a été posé. Vous avez répondu à la première question. Donc on continue avec la suivante. Par rapport à la liberté de la presse, si ça existe au Niger, si c'est une réalité, et euh, je confirme que la liberté de presse est une réalité au Niger. Ce n'est pas de ce côté qu'on a des problèmes, parce que les textes sont très clairs. Euh, je crois que les organisations qui interviennent dans la défense de la liberté de la presse ont même obtenu l'adoption de l'ordonnance qui, qui, consacre la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Ça, c'est quand même euh, une grande prouesse. Et maintenant, c'est à nous, autres journalistes, de pouvoir gérer cette situation sans perdre la face par rapport à notre comportement. Parce que, euh, en fait, euh, la dépénalisation du délit commis par voie de presse n'est pas une carte blanche pour s'adonner à certains comportements auxquels on est en train d'assister actuellement dans le monde de nos médias. Vous venez pas dans le journalisme pour chercher de l'argent. Et je parle à, à, la jeune génération. Ne venez pas dans le journalisme parce que vous voulez être riche. Venez dans le journalisme pour être des bons journalistes des journalistes talentueux et je crois tout le reste, les honneurs, la, fortune et tout le reste viendront après. Mais si vous venez dans le journalisme pour tout de suite vous faire de l'argent, vous allez aller en prison. D'accord, merci beaucoup. Euh, on, revient vers euh, la New Generation. <laughs> oui, par rapport au problème, il me demande euh, les solutions. en fait, la limite de la liberté, c'est la responsabilité. On est des journalistes, on a quand même euh, cette responsabilité du point de vue professionnel, mais aussi du point de vue social. Nous sommes avant tout des citoyens d'un pays. Donc la responsabilité nous, recommande quand même de donner des informations utiles, responsables, surtout dans le contexte de notre pays. Tout à l'heure, on parlait de l'actualité. Avant-hier, un média diffusait en direct les manifestations au Sénégal et automatiquement les autorités ont retiré l'autorisation de ces médias parce que ça pouvait engendrer euh, aussi autre chose. Donc c'est pour parler un peu de la responsabilité du journaliste. Comme je l'ai dit, la première garantie pour un journaliste, c'est d'abord de connaître les textes. Je me dis, un journaliste qui respecte les textes, qui connaît les principes fondamentaux de ce métier, il ne peut même pas écrire quelque chose où il sera interpellé. Tout à l'heure, le président a parlé de la dépénalisation commise par voie de presse. Vous prenez par exemple la diffamation. Mais un journaliste professionnel ne peut pas diffamer quelqu'un. Et je ne sais pas si vous vous êtes demandé pourquoi les professionnels ont créé l'Observatoire nigérien indépendant des médias politiques et de l'intelligence. Parce que c'est le tribunal des pairs. Aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle honte pour un professionnel qui est devenir au niveau de vos confrères. C'est vos confrères qui vont vous juger pour par rapport aux règles que nous nous sommes données. C'est-à-dire l'éthique et la déontologie. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Mais si vous, en tant que journaliste, vous violez ces textes, mais vous-même, vous savez que vous êtes quand même, en fait, en erreur. Et là, je vous dis, il n'y a pas quelque chose de plus mauvais pour un journaliste de venir devant un juge, on vous demande la preuve de ce que vous avez dit, vous avez voulu, et vous dites que je n'ai pas de preuve. En ce temps-là, personne ne peut vous défendre. Faisons un travail pour le public et pour ça, on doit être responsable. Mais ce qui nous manque, c'est justement cette responsabilité. Les plagiats, les chantages, et la corruption, tout ce qui s'ensuit, tout ça là, c'est interdit. Donc vraiment, je vous invite à lire les textes. Je vous assure, en tant que jeune, on n'allait pas vous en sortir. C'est noté. Alors je pense que toutes les questions ont eu une réponse. Vous avez reçu la réponse. <laughs> Voilà. Chers auditeurs, euh, chers invités, nous sommes à la fin de nos échanges avec euh, nos invités. Nous étions euh, avec euh, Fadimou Moumouni, l'une des doyennes dans le métier du journalisme, euh, ancienne secrétaire générale de l'OETN, conseillère du Conseil supérieur de la communication. Nous étions également avec Hassan, il fait partie également des doyens. Ancien directeur de l'ONEP, euh, il est actuellement le président de ONIMED, euh, qui est l'Observatoire nigérien indépendant des médias. Avec nous dans cette émission, M. Euh, Monsieur Suleiman Bra, journaliste, ancien membre de la Maison de la Presse, voilà, qui a été dissoute il y a quelques jours. Il est actuel président également de l'ANEM Niger. Merci infiniment à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence dans ce numéro spécial hein, de notre émission Le Niger sur Kalangou. Nous vous souhaitons une excellente journée, mais restez euh, avec nous pour la suite de notre émission. On marque une petite pause et on revient juste après. Voilà, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre dans cette émission, pas d'inquiétude. Vous n'avez rien raté. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web www.istudiokalangu.org. Sinon, on poursuit avec la balade musicale. Écoutons ce titre Hausa Choco de Fiaxi, un titre qui cartonne comme pas possible. On écoute. Monsieur le Niger sera la canne sans qualification. Sinon, Garba pimenté, vous allez manger ça chez qui Choukouya pimenté, vous allez manger ça chez qui même Aoussa Choco, Choukouya Choco, Garba Choco. Chez nous les Aoussa Choco. Le Niger sera la canne sans qualification. Sinon, Garba pimenté, vous allez manger ça chez qui Choukouya pimenté, vous allez manger ça chez qui même Aoussa Choco. On était là, c'est pas pendant qu'on sera pas là. Qui est mieux placé que le house à l'hospitalité de Nous On connaît ça, on vit dans ça, on est dedans. Même s'il nous mène dans attachement que le Niger n'a pas talent. Tout ça c'est avant si et la maintenant. Tout ça c'est avant si casse tout ah, maintenant. Ah. On va célébrer l'Afrique à Babi. On va célébrer l'Afrique à Station Sino Garba, pimenté, vous allez manger ça chez qui j'ai. vous allez manger ça chez qui même Aousa Choco, Choupia Choco, Garba Choco Chez nous les Choco Hausa Choco, Choupia Choco, Garba Choco Chez nous Garba nous sommes des frères et sœurs. Regardez nos drapeaux, on a les mêmes couleurs. Voilà, l'Afrique il y aura la bonne humeur. Dans la paix, dans la joie, la femme sera meilleure. On va célébrer l'Afrique à Babi. On va célébrer l'Afrique à Babi. À Babi. Venez nous voir, vous Chukuya, Dali, Dali. Aboki, prends, vous moi Acheké, Dali, Dali. Imile les chanceux, vous Chukuya, Voilà, chers auditeurs, après cette belle sonorité musicale, place à l'écho des régions. Et aujourd'hui, c'est la région de Nyamé qui est à l'honneur. Nous sommes euh, avec le club d'écoute de la radio scout de Kwarataji, un de nos radios partenaires. Exactement, c'est nous. Nous sommes un membres du club scout radio. nga ino inda ino ne irgon irgonda zainabu haruna da sayiya tayiru matarongo irgaron fondo kai kahun kunaran kagutu irwana fakarawo kara irnaron burni zainabu matinugu bani samal matarango to abodai na nigin ga faman dirse rajia hangane yon karan gogate za ta fuci naron kulubu gono. Wala iri wayar kulubu da gaigai. Son a tora girin ka gine. Kulubu kan haran sin gifo mana. ta amana. ga te te irma morgu kɛra imfani to ni gingi cirse eh, matuno te ga hangani radiyese arangi cer marguno wala matuno matuna agite da famandir se matkano wallahi a bar kul gangu ko arga bar ga era bai dai no era to ban ma mata aranga ka agcer margu batam no ga hangan a ah, sa margu no fuga hangan ba kulgan gangu ko arno ga hangan amma dir margu margu to dir margu margu no fallan irma dir margu irma misai yadin dinga sanga hanya n'o garan se karanga eh, charmar ga hanga oh har n'o girsi to oh, abure na son aige kan ga sayiya sayiya irgin fondo ga kan ka gutur se hun kuna irsi jiro wara so nigi hinga faman dir se ragiya wa karan go daga hangan bere fudma na go na ton ton aran se aran wana dunya ba funara to wallahi ago kan dir se bere bobu irgo faham zama kan nisbaya ga ambo dungo kai gina lakalai yetira radiya ga go hangan har bobu no kan ni si bayaga ni ga bayaga dingo dingo ga hangan so sigire wa karan gona ga hangan agogi agog tontoni ma na gona kandaran si ni di gorera agin ta iphone ga bayaga iphone si bayaga dingo ha radio hangan mo dole nin bayaga di dai no a hangan kono iga kan fahama yan bobu yan ra hankan ga ni si baba ni si baba ya ga hai dingo ga radio hangan niga bayaga to so hayr wer studio kalangon sigire karan gona ga hangani se ni ginga cirse gak sinai forma do tonton forma na kan daran saran wani ba funara walla kan dirse tonton bobu ni di zan wone gwara ni din kurin kurnye gamara din wone izai tarbiya do harai din wani gwarga sinai bumboda kan nigo gwarni dai wundora i wani alhako kan ni bai gwarga sin do gwarga sin iga kirha alhaku zan kai mo yadi ni mai gida mu do har yadi yadi ga irwa ko ago kan ni se tonton bobu wallahi irgo faham zainabu ni mo ifo ni ginga tonton irse a wana diyan wara. aiwo diyan wo kan aidi kalanguban zam kirgo ga hangan wo bon ferai bobu nanai no zam ni gaba iza wo bon bobar yango ne kan wato di ise bai hali iza wo iga hayen tirke gasi kalango hangano ranu irwo bai kan wallahi bur yanga bai kan iza wo dinna haikul hayen tirne ko ke gasi loktar kwarno ni ga bai yan gono isi faham da a duniya wo sam sam amma kalangu kirgo ga hangan ir fahamun da anir no bon ferai bobu salamatu ni gonna hayan fo ay wanda hayan fo zama ga bai bai son ifu no aran gono gorga batir ga ir mi ga ton aran sai kan te tibera do hara ir walla ir ga bayam tonton sai da ir irin faham dai da a duniya gora irin faham je bafuna mat kirgo gir bafuna ti a duniya ra to abu dai na ir garum fondo goy do kokaro irgo yawu yan fondo goy kan nira invite kan dir niu to ir go sabra gyo skut se go sab kalangu se zamra gyo skut gritya kalangu to aburde no mo ir harum fondo goy do kokaro do suro karango dan gorgir hangan ir irgo ngaramu aramu yego kokara aramu yego cici bore mo ko en kango gorga hangan studio kalangu sigirai si Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, merci infiniment, chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou et nous sommes en direct du Centre culturel Oumarou Ganda, le CCOG. Il est que heure, Salamatou Tu n'as pas l'heure <laughs> Voilà, à présent, c'est l'heure du portrait. Salamatou, Aujourd'hui, quelle est notre histoire du jour Voilà, c'est nos zooms sur une jeune journaliste, une de nos stagiaires, à la personne de Sakina Gazibo. Tête noire et élancée, Sakina Gazibo est fraîchement diplômée en journalisme. Après son bac, elle s'est inscrite sans hésitation aucune à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication éthique actuel ESCOM. C'est quand elle a commencé ses stages sur le terrain que la jeune journaliste est tombée encore plus amoureuse de ce métier. C'est un métier qui m'était beaucoup à cœur. Dès au début, en fait, j'adore le journalisme, ce qui m'a poussé à aller au niveau de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication. Au début, je ne savais pas en réalité ce que c'était que le journaliste, mais une fois là-bas, j'ai beaucoup appris, ça m'a motivée. Avec ma curiosité, j'ai eu à faire plusieurs médias pour des stages et j'ai beaucoup approfondi mes connaissances jusqu'à ce que j'ai pu finir. Je suis en train de travailler au niveau d'une agence de communication jeunesse production où je suis chargée d'assistante communicatrice. Je fais des reportages, je rédige des articles, je fais des images. Il y a des ans, Sakina a intégré l'équipe des studios Kalangou pour un stage de trois mois. Cette immersion lui a permis de connaître les réalités du terrain en tant que journaliste. À Kalangou, j'ai beaucoup appris m'a, j'ai rencontré des, vraiment des chefs qui sont vraiment disposés, des collègues qui sont vraiment disposés, qui m'ont beaucoup appris sur le métier du jeu, non pas seulement ce que j'ai appris à l'école, parce qu'à l'école, on nous enseigne juste les bases. Maintenant, le reste, c'est sur le terrain. À Kalong, j'ai beaucoup appris. Ils m'ont montré qu'est-ce qu'un journaliste, comment doit être un journaliste, aller sur le terrain, chercher les informations, venir les traiter, tout ça. Vraiment, je dirais qu'à Kalong, j'ai beaucoup appris. Chaque passage, je dis toujours Kalong, Kalong, parce que je garde vraiment quelque chose de positif quoi, au studio Kalangu que je ne pourrai jamais oublier. Pour Alassane Abdou, le directeur en chef du studio Kalangu, Sakina Gazibo est un modèle à suivre. Sakina Gazebo fait partie de nos stagiaires. Sakina d'abord, c'est une étudiante déterminée, déterminée à apprendre, déterminée à comprendre, déterminée à avancer. Sakina, quand elle a commencé son stage au début, euh, on lui a collé toutes sortes de trucs, notamment des noms on dit euh, euh, voilà, elle est ceci, elle est cela. Mais pourquoi on dit ça Parce que tout simplement, elle veut tout apprendre. Parce que tout simplement, elle veut être partout. Parce que tout simplement, elle se bat pour comprendre les choses. Elle ne se fatigue pas. Elle est prête à participer à des reportages, quelle que soit l'heure. Pourquoi tout ça C'est pour vraiment avancer, comprendre et une fois fini son message, qu'on dise que vraiment, voilà, telle personne qui est venue pour telle chose et elle est arrivée à le faire. Le frère aîné de la jeune journaliste dit être fier du travail que fait Sakina sur le terrain en tant que journaliste avec une détermination incroyable. Abdurazak Sadougazib. Je suis extrêmement fier de ma sœur et de son parcours en tant que journaliste. Depuis qu'elle a décidé de se lancer dans ce domaine, elle a montré un engagement et une passion incroyables. Euh, ses études en journalisme lui ont donné une solide base théorique, mais c'est euh, son travail sur le terrain qui fait vraiment plaisir à voir. Et je veux ici euh, profiter euh, de cette occasion pour vraiment féliciter euh, son école qui fait des merveilles de la formation de ses étudiants dans ce domaine. Et je veux aussi vous féliciter, Studio Kalangu, pour faire la promotion de ces jeunes journalistes-là. Désormais, sa licence en journalisme en poche. Aujourd'hui, Sakina Gazibo est assistante communicatrice dans une maison de communication de la place. Par ailleurs, elle continue ses études en master communication de crise. Voilà, chers auditeurs, c'était le portrait du jour réalisé par Marem Adey, rendu au studio par Habibou Garba. Et chers auditeurs, place à présent au loti du jour que nous vous proposons. Nos chroniqueuses vous parlent de préjugés. On écoute. Affairage, affairage, affairage, affairage. Hamsou, Hamsou. toi encore. Regarde la dame là. Comment peut-on s'habiller et sortir ainsi On dirait qu'elle n'a pas de parents à la maison. Hmm, et des cinq. Hamsou, tu es sûr, ça va Depuis là, je te parle et au lieu de me répondre, tu comptes. D'ailleurs, qu'est-ce que tu comptes même je compte le nombre de fois que tu juges une personne dans la rue, juste en la voyant. Tu ne fais que ça depuis ce matin. Tu juges, tu juges, tu juges. Ça suffit, Mana. Juger Je ne juge pas, Wallahi. J'ai dit juste ce que je vois. Hmm. D'abord, c'était une femme qui rentrait dans un bar. Et juste pour ça, tu l'as traitée de prostituée. To, si elle n'est pas prostituée, qu'est-ce qu'elle va aller faire dans un bar Acheter à manger, par exemple. Il y a des bars qui offrent des très bons menus et qui font des très bonnes bouffes. Hey, une bonne femme n'entre pas dans un bar et puis c'est tout. Ensuite, il y a mon collègue que nous venons de rencontrer. Juste parce qu'il porte des locks, tu penses qu'il fume ganja. Hum, hum, hum, Arrête de modifier ce que j'ai dit. Toi, qu'est-ce que tu as dit Moi, j'ai dit que s'il ne fume pas ganja, c'est qu'il est fou. Parce que s'il n'était pas fou, est-ce qu'il allait laisser ses cheveux pousser comme ça hmm. C'est justement cela qu'on appelle avoir des préjugés, Kadi. Roger, c'est une très bonne personne. Combien de fois je dois te dire qu'elle n'est pas partagé les mêmes valeurs, la même vision ou les mêmes points de vue que la personne ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Avoir des préjugés, c'est vraiment très mauvais. Préjugés quoi C'est quoi ça encore Toi en train de parler gros français là toujours. Hmm, hmm. Kadi, ce n'est pas gros français. Un préjugé, c'est avoir des idées préconçues, c'est faire des suppositions sur une personne, par exemple, sans prendre le temps et le soin de la connaître. En gros, c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Hé, moi je n'ai rien fait de tout ceci. C'est ma nature. Quand je vois une chose, je parle. Pia. Kadi, tu peux parler autant que tu veux. Le seul souci, c'est de juger. Avoir des préjugés, ça t'empêche de voir la beauté qui se cache en chaque être humain. Imagine si on laissait nos préjugés nous dicter comment percevoir le monde. On passerait à côté de tant de merveilles. moi, je fais juste partie de ceux qui se fient à leur première impression. Première impression qui est souvent très fausse. Tu te rappelles la dernière fois que nous sommes allés au marché Tu as hmm. juste vu une dame qui t'a regardé et tu as dit qu'elle ressemble à une sorcière, Waymayati, mhm. qu'elle voulait te manger avec ses yeux. Et quand elle s'est approchée, tu allais même fuir si je ne t'avais pas retenu. Mais lorsqu'elle s'est présentée, tu as toi-même compris que c'était juste une cousine à ton mari que tu ne connaissais pas encore. <laughs> Tout c'est vrai. Je me suis trompée. Mais juste cette fois-ci-là. Hey, Kadi! Juste cette fois-ci. Mm, mm, faut avoir peur de Dieu. Hein. Toi, tu te trompes presque tout le temps. Tiens, la petite sœur de ta voisine Zara, que tu traitais de débouchée parce que tu la voyais traîner avec ses amis dans le quartier. Tu jurais qu'elle n'allait pas avoir le bac. Elle l'a eu ou pas Elle l'a eu, wallahi. Et ce n'était pas la seule fois. C'est devenu une habitude pour toi sans même que tu ne t'en rendes compte. Wallahi, c'est vrai. Maintenant que tu me parles, je me rends compte à quel point je suis remplie de préjugés. Mais qu'est-ce que je dois faire pour les éviter C'est très simple, Kadi. Prends le temps de te remettre en question. Tu dois aussi arrêter de faire des jugements hâtifs. Apprends à connaître les personnes avant de tirer des conclusions. Chaque petite action compte. Si chacun de nous fait un pas vers la compréhension et l'ouverture d'esprit, nous pouvons changer beaucoup de choses. Wallahi, tu as raison, Hamsou. Je m'y mets tout de suite. C'est juste que parfois, c'est tellement facile de se laisser emporter. C'est tout à fait normal, Kadi. Personne ne dit que c'est facile, mais ça en vaut la peine pour ta propre santé mentale Hamsou, merci de m'avoir ouvert les yeux sur ces sujets. Dieu te bénisse. abordeno ir hangan ka irga fongan daran sai kan hun kuna kadar amudu labaru no kono no dini iskutu wani bon inga mu aka ir wani sigirora kadar matinugu ban samai salamatu mata ga hamai bala irgin fondo koy kan ne ka gutu ir wani hun kuna fa karawora ndige inga faman dirse lotto kan ni goga hangan kai se ni diyan woga berai furmano ni moni goni ga duwara aiki sabaran sai karan ne burnye neo niger sur kalangu wani sigira wani bon nankan aiga ga tuwaranse sai halaiga tuwaran sai dai aiga koyga ne a irma barka irma barka da jiri fakan nijar sur kalangu akwai gadu hunkuna wadin banda ai koyga charan sai kan lotto e olim ne bajina o kan go nijar ra kan sigin he lotti bajin wane akwai gir lakal candi kaina wad zama dir ga lasabu sanni za berai kulki ganwa batu kulu dayan no kango ir der al'umma ga wani sai na koi gilla kalcen ni kai na ir ne to ir goro illa sabu in konkonsete ir nodin ir radiado zamai garan fongandi kan ayi nogati bora kan ga lokaco kan daga no bora sai kan sai ansar ki na ga yene eh, director de programme ir koi gilla sabu ir di kan fondo yongon kirgi hinga gana ir mu koi ga lotto din sambu ga yega kagate te sigira fo nodin ir radiara sigira dinga no gati irgo gala sabo hal son mayo zama irna te sorfo amma irga ba irin duwa sai mayi kanga koida lotino rahila yan nase wal salamatu yan nase irwo irga ba irma di din ifo nirgi hinga nase hal manti kandin di yan woni irga ne zama irin borai fongandi wal irin borai fahamandi mata nirga ba irin sigira te ngano gati lotto kan studio kalangu gati din ngano irga sambu irma dan ir hangan kaise dina hangan wadin banda bore mace imace ima kandinga diyango lotu wane bon kanga nan ko banda irma koy gadu gabore lakal candi ima duga tera wane yan dumanan zam tera yan kan sukonda labu da jina tera yan kan sukonda irse kansir sir nafa yani ngani go ko famandir se kan lotti sigiro no kan da kan aran mo aran dubere kai no fabon kan na aran ga ga sigir fuan no dini sigira aran wana ragi ara lotti bu mbono irga ba irwo irmo goida to irgin fondogoy irgi bora menda menda fondogoy yadi mono irgu ngwarai studio kalongon sigirai kulmate diga bege radio cindai mose Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de notre émission spéciale Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Ali Munkaila et moi, Salamatou Kadri. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. Et oui, à la technique, c'était tout simplement Seini Isaka. L'édition a été assurée par Rahilatou Soumana. Chers auditeurs, n'oubliez pas d'être câblé sur l'une de nos radios partenaires à partir de 17h pour suivre nos cinq journaux en langue. Alors, on va clôturer en souhaitant joyeux anniversaire à l'émission Le Niger avec euh, nos invités qui sont sur place. Tous ensemble, joyeux anniversaire. Merci. Bye bye.